Eh, kii ñëpp may. kii da ngeen ñëwee wet quoi. non ngeen yéen a ñëw taxawee ne loolu ñu. grand doo dem nee na yow tamit wax nga dëgg waay ah. waaw. Ah. Ah, ah nii nii. É, c'est, É, un... Grava aqui o filme da Grava aqui o filme disso. C'est bon, on peut y aller. Hein? Attends. Attends. Bravo, c'est bon, bravo. Ah, ah, voilà. Merci beaucoup. Euh, je voudrais d'abord, avant de revenir euh, sur euh, la session extraordinaire d'aujourd'hui, marquer toute ma solidarité à la presse sénégalaise. Parce que d'abord, personnellement, je suis un journaliste. Donc, euh, je pouvais aujourd'hui être euh, là où vous êtes. Et euh, la presse est un maillon important de la démocratie. Et c'est triste de voir aujourd'hui au Sénégal, au XXIe siècle, une journée sans presse. Dans l'histoire politique du Sénégal, c'est la deuxième fois, à part en 2004, qu'on organise une journée sans presse. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'horizon est sombre. Cela veut dire que la démocratie a des difficultés. Cela veut dire qu'on veut casser la liberté d'opinion, cela veut dire que nous avons aujourd'hui au Sénégal un pouvoir qui ne comprend pas les priorités. Parce qu'il faut le dire, même sur le plan économique, la liberté de presse, la liberté d'opinion fait partie des critères que les organisations internationales mettent en place ou bien mettent sur la table pour accompagner certaines démocraties. Et aujourd'hui, euh, on a noté depuis trois mois, comme l'édito d'hier l'a bien décrit, une volonté manifeste de travailler à tout faire pour que la liberté de presse soit réduite et je pense que c'est regrettable. Maintenant, pour revenir à la journée d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a ouvert la session extraordinaire euh, de cette année sur euh, un point, c'est-à-dire euh, l'actualisation du règlement intérieur. Parce qu'il faut rappeler que l'Assemblée nationale est une institution qui fonctionne comme son règlement intérieur l'indique, qui est une loi organique. Aujourd'hui, il y a eu un besoin de réactualiser ce règlement intérieur mais je voudrais juste rappeler, parce que les gens ont tendance à dire que bon voilà, on réactualise le règlement intérieur parce que le Premier ministre doit faire sa DPG. La DPG, et j'ai l'habitude de le dire et je le répète, n'a absolument rien à voir avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que l'article 55 de la Constitution dit que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, la loi organique de l'Assemblée nationale qui fait office de règlement intérieur doit être réactualisé. Et c'est une procédure qui a été démarrée bien avant que l'actuel régime puisse arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, on a fait une session extraordinaire pour réactualiser ça et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale a euh, constaté le quorum et aujourd'hui on est en train de travailler après la conférence des présidents pour aller en commission et en plénière pour euh, finir ce travail. Euh, waaw dama bëggoon rek d'abord euh, marquer sama solidarité ci presse su Sénégal yëpp ndax euh, ñun ñi ay taskatu xabaar lañ te jàpp nañ ne euh, journée sans presse maanaam bés boo xam ne benn presse du tiire wala du génne journalam jàpp naa ne loolu lu doy waar la ci réew moo xamante nii moom la ñuy wax réewu démocratie bu mel ne Sénégal ndax bu ñu xoolee ci taarix bii mooy ñaareelu yoon ñuy amal journée sans presse ci réew mi depuis 2004 te loolu nag jàpp naa ne li muy wane mooy fi ñu jëm lëndëm na fi ñu jëm baaxul fi ñu jëm nekk na loo xamante ni jàpp naa ne ñii nga xamante ni ñoo yor nguur gi tey war nañoo xoolaat seen toogaay ak seen taxawaay jàpp naa ne yow ñëw ci réew amagoo fa sax genn wàll at amagoo fa 6 mois 3 mois nga fa def taskatu xabaar yi daal di dajaloo boole ne dañuy def journée sans presse loolu jàpp naa ne ku mu tiitalul ñun tiital nañu ndax nag démocratie bu fekkee ne danga ko bëgg a suuxat da nga war a bàyyi liberté d'opinion liberté de presse parce que àdduna bi yëpp même sur le plan économique réew yi nga xamante ne nii dañ leen di jàppale di leen taxawu ci seen wàll économie critère bi nga xamante ne nii mooy wàllu liberté de la presse dafay doon critère boo xam ne dañ koy teg ci table ji muy FMI muy MCA bi nga xamante ni ay alal yu bari lañ ciy def ak ak yeneen institution yoo xamante ne nii ak réew moo xamante ne nii dañuy accompagner li nga xamante ni mooy économie réew mi loolu nag jàpp naa ne bu fekkee ne réew mu mel ne Sénégal vingt et siècle dañuy euh, bëgg a entreprise de presse yi seen liggéey xale yi ñàkk ko ñu leen di am pression fiscale boo xamante ni doy ba pare nekk ci di leen xoñoñal jàpp naa ne loolu nekkul loo xamante ne nii lu gën la te loolu dañu koy ñaawlu di am suñu solidarité bu mat ci wàllu presse bi loolu mooy li nga xamante ni bëggoon nañu ko tàmbalee li ci des nag mooy bésu tey bi session extraordinaire bi dañ ko tijji pour réactualiser règlement intérieur bi te loolu nag dama yàgg di wax bokkul ak dara li nga xam ne mooy DPG bi moo naan déclaration de politique générale parce que nit ñi dañuy jaawale lu la constitution article 55. le premier ministre dafa faire a déclaration de politique générale de l'Assemblée nationale. règlement intérieur de l'Assemblée nationale il na loo mais ce bañ ko le booba nguur gi sax au pouvoir donc c'est la marche normale des institutions donc c'est ce li nga xamante ni tey session extraordinaire bi exemple, nañ session bi nous conférence des présidents la ci commission après une plénière pour dire li nga xamante ni mooy mbir merci. merci beaucoup.